forum bistiro kalau chers auditeurs et auditrices, euh, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou que vous suivez chaque jour à travers notre réseau dynamique de 34 radios partenaires présentes dans les huit régions du Niger. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème apport de la migration pour les pays d'origine et d'accueil des migrants. La migration des humains, c'est ce déplacement qu'ils font dans le temps et dans l'espace. C'est un phénomène qui semble être aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Dans leur périple, à la recherche d'un milieu de vie meilleur. Beaucoup de migrants vivent malheureusement des conditions exécrables et certains perdent même la vie pendant leur périple, notamment en Méditerranée où l'on a enregistré un total de 2262 migrants morts l'an dernier selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR qui indique qu'en 2017 le nombre d'arrivées en Europe par la mer s'élevait à 172 301 personnes et que 3139 personnes étaient estimées mortes ou portées disparues dans leur tentative de traverser, selon toujours le HCR qui note sur son site internet une chute du niveau des arrivées par rapport au pic de 1,015 million enregistré en 2015. Dans d'autres pays encore, ils sont souvent victimes d'humiliations et d'exactions de tout genre, voire d'expulsions en masse vers d'autres pays. Et pourtant, ces personnes ont besoin de protection et de respect de leur dignité. Du reste, il est de plus en plus prouvé que ces migrants peuvent contribuer au progrès de leur pays d'origine et d'accueil, contribuant ainsi au progrès de l'humanité. C'est pourquoi il paraît important de connaître les différentes formes de migration et leurs causes, ainsi que les avantages qu'elles sont susceptibles de produire. Ainsi, avec nos invités, nous aborderons diverses questions en lien avec cette thématique. Nous avons pour ce faire dans ce studio Amadou Boulama Tchengno, militant des droits humains. Il est responsable du département migration au niveau de l'association alternative Espace Citoyen. Amod Boulama Tchengno, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci. Nous avons également avec nous Kabiru Mogu, professeur en sciences sociales, spécialiste en droit social et du travail. Il est citoyen belge d'origine nigérienne, candidat à Liège aux dernières euh, élections communales. Professeur, bonsoir. Bonsoir, merci. À la présentation de ce forum, Michel Dégé. Pour commencer, Amadou Boulama rappelez-nous brièvement les différentes formes de migration que nous avons et leurs causes. Je pense que déjà dans l'introduction à ce débat, vous avez déjà donné une idée de ce que c'est la migration. J'allais dire que nous sommes d'abord tous des migrants. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la migration, c'est ça qui fait l'histoire de l'humanité. Mhm. L'histoire de l'humanité est une mhm. histoire de migration. Nous sommes tous venus de quelque part mhm. et peut-être même que nous allons euh, terminer notre vie quelque part. c'est là pour dire, voilà, que euh, vraiment c'est ça qui fait... Euh, la question de l'humanité. Maintenant, pourquoi les gens partent Je pense que de ce point de vue, il y a plusieurs raisons qui sont généralement avancées il y a ce qu'on appelle les facteurs d'attraction. Et ça, je pense, ça ramène à la question de la migration économique qui est sur toutes les lèvres. On pense que beaucoup de gens quittent leur région d'origine, leur pays, leur village pour aller ailleurs dans l'espoir de trouver une vie meilleure, dans l'espoir de trouver de l'emploi si on est jeune, par exemple, mais ces dernières années, il y a également la question de la migration climatique à cause des bouleversements qu'il y a sur plusieurs parties du globe. Je pense notamment à la région du Sahel, qui est une région confrontée à euh, des crises multiples, crise climatique, crise environnementale, crise alimentaire, etc. Mais je voudrais quand même qu'on retienne que, en plus que ça soit, la migration soit euh, une question liée au peuplement même de l'humanité, la migration de manière générale, elle est interne. Quand vous prenez que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du continent africain, la migration pour un pays, par exemple, elle est d'abord rurale. Ce sont mm. les gens qui quittent les villages, les campagnes pour les centres urbains. On appelle ça généralement l'exode rural. Mm-hmm. Maintenant, vous avez aussi à l'échelle euh, communautaire d'abord, mm-hmm. pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, mm-hmm. une migration qui est intercommunautaire. À l'échelle africaine aussi, elle est intra-africaine. Maintenant, euh, depuis 2015, mhm. la question, le mot migrant, il est sur toutes les lèvres. Il est dans le discours médiatique, il est dans le discours politique. Quelle en est la raison Je pense que ce n'est pas sans lien avec ce qui se passe un peu en Europe, mhm. notamment ce qui se passe euh, au niveau de l'Union européenne, mhm. qui depuis tout cas, 2015, ce qu'on a appelé entre guillemets la crise migratoire, euh, le mot migrant est sur on parle d'invasion, etc. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a euh, un mouvement important des gens du sud vers le nord. Donc mmh. ça, ça aussi explique la question de la migration économique. Maintenant, il y a aussi, souvent on dit migration irrégulière, migration légale, migration illégale. Certains vont jusqu'à dire même migration clandestine bien que ça soit un peu, depuis euh, quelques temps, les, Nations Unies ont interdit, c'est-à-dire parce que ce n'est pas conforme aux normes internationales, etc. Il y a plusieurs raisons. Et si vous, voyez, même il y a une polémique, par exemple, euh, entre les, même les institutions internationales. Par exemple, le HCR mhm. fait une différence entre les personnes qui bougent. Et c'est ça qui explique que dans la définition, par exemple, de l'agenda mondial sur la migration, il y a eu un pacte global sur les migrations et un pacte global sur les réfugiés. Le lui distingue les migrants et les réfugiés. Mais de manière générale, il faut retenir que les migrants, c'est des personnes qui choisissent de quitter leur terroir pour une autre. Ça peut être qualifié d'exode rural, ça peut être qualifié d'une migration interne, c'est-à-dire à, l'échelle d'une communauté, elle peut être intra-africaine. Et maintenant, il y a l'autre migration dont on parle le plus, mhm. la migration internationale, qui concerne principalement les gens du Sud qui vont en direction des pays riches. Donc je pense que c'est un sujet assez euh, ouvert, mhm. mais sur lequel je pense qu'il faut faire attention à l'utilisation des mots, euh, parce que euh, aujourd'hui, mhm. notamment depuis les derniers événements au Maroc, je pense que ce n'est pas très pertinent de continuer d'abord non seulement à dire migrants clandestins, mais de parler de migration illégal Vous le savez tous, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc si on se fie à cette hypothèse, c'est de notre continent que les populations ont peuplé les autres continents. Et je pense de ce point de vue, l'histoire du peuplement de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, euh, vous voyez d'ailleurs toute la division qu'il y a autour quand aujourd'hui euh, euh, les États-Unis de Trump veulent dire qu'ils érigent des murs, qu'ils ferment leurs frontières. Vous avez souvent des gens qui leur disent les Amérindiens, mhm. qui disent que vous-même, vous, êtes, venus il y a quelques siècles seulement. Donc je pense que c'est des pièges. En tout cas, les, journalistes, les militants des droits humains et même les mhm. décideurs africains ne devraient pas tomber. Kabiru Mogu, professeur en sciences sociales et spécialiste en droit social et du travail, quelle lecture vous vous faites des instruments internationaux et nationaux qui montrent que la migration est un droit je vous remercie, Monsieur Michel Déji, pour euh, cette opportunité. Le, thème d'aujourd'hui, qui est l'apport de la migration dans le pays de transit et destination, euh, trouve euh, toute sa légitimité dans un contexte mondial, africain et, même nigérien. il faut se rappeler que jusqu'en 1945, l'unique sujet du droit international était l'État et la fonction exclusive de ce droit était de réguler les relations entre États. C'est-à-dire juste après la Deuxième Guerre mondiale Après la Deuxième Guerre mondiale, mhm. c'est que c'est qu'on prend tout le monde, tous les humains, comme étant des collabos. Donc on va mettre des frontières, on va, on va empêcher que les gens bougent du nord au sud, de l'est à l'ouest, euh, parce que tout, quand on voit quelqu'un qui n'est pas du pays, on pense parce que c'est pendant c'était le fonctionnement pendant les guerres. Mhm. On pense que ah ce monsieur est venu prendre des renseignements sur les positions militaires, ainsi de suite, et aller donner à l'ennemi qui va venir frapper. Et donc, il a fallu, à partir de l'adoption de la Charte des Nations Unies, euh, pour que la situation change, pour que l'individu devienne aussi un sujet de droit international. Parce qu'à l'époque, c'était seulement, comme je dis, les frontières, donc mmh. l'État. La charte donc de San Francisco du 26 juin 1945 est le premier instrument juridique international général dans lequel l'individu est reconnu comme titulaire des droits consacrés par les droits internationaux. Mmh. Trois ans après, va intervenir la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 48. 48. Mmh. On vient de fêter d'ailleurs en 2018 le 70e mmh. anniversaire. Au niveau de cette déclaration, son article premier déjà annonce le couleur. Euh, l'article premier stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en, dignité, et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un, esprit, de, fraternité. Ailleurs, nos amis euh, arabes, marocains, on, on le rencontre. Mon frère. Mhm. et, euh, en Europe, des fois, quand un arabe dit à un Africain son frère, un Européen se pose la question Ah, vous êtes frère Comment ça Ça pose des questions, mais en fait, euh, c'est dans l'esprit de l'article euh, premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que nous sommes tous des frères dans, mhm. cette, euh, dans ce monde-là. Article 14 va dire à son alinéa 1 Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. On reviendra euh, sur cet article plus tard. Tarno l'a déjà éploré. Et en 1951, donc après la Déclaration universelle des droits de l'homme, une convention de Genève va être euh, adoptée. Et cette convention, elle va, dans un premier temps, donc jusqu'en 1967, concerner uniquement le peuple européen. Mm-hmm. Et, là, c'est pour euh, donner en tout cas le statut de réfugié pour des personnes qui sont persécutées, tout en prenant cinq raisons. Et, euh, si la personne est persécutée à cause de sa race, parce qu'à l'époque on parlait de la race, plus mm-hmm. tard il y a eu une progression, des recherches scientifiques ont démontré que la race humaine est unique. Mhm. maintenant, on va remplacer, même si ça n'a pas été adopté, ça n'a pas été modifié cette convention, on va remplacer les races par les ethnies, ainsi de suite. Mhm. À cause de la religion, lorsqu'un individu, donc c'est le deuxième critère, est menacé à cause de sa religion, on peut quitter pour aller trouver la selle ailleurs. À cause de sa nationalité, euh, dans certains pays, il y a euh, une, session où euh, par exemple au Maroc, il euh, euh, y, a un peuple qui, a créé son État, même si l'État n'est pas reconnu au niveau de l'ONU, mais qui a son organisation. À, l'appartenance, à son appartenance à un certain groupe social, euh, lorsque dans, un, dans un pays, un, certain groupe social minoritaire est menacé, et ce groupe-là a le droit de quitter pour demander l'asile ailleurs. Et le cinquième critère, c'est par rapport à ses opinions politiques. Un journaliste qui est menacé, un acteur de la société civile qui est menacé à cause de ses opinions politiques. ou un homme politique. Voilà, ou un homme politique. Mhm. Mais en 1967, euh, vu l'importance de cette convention, euh, ces, dispositifs vont avoir une portée mondiale. Mhm. Et, euh, cela est adopté à l'ensemble du pays du monde. Plus tard, on va constater un problème euh, parce que euh, ces critères sont très restrictifs. Mhm. En, euh, en 2006, un nouveau statut est apparu en vertu d'une directive européenne transposée en droit nationaux, et c'est la protection subsidiaire. C'est-à-dire, on a constaté qu'il y a des personnes à cause de la guerre ne sont pas directement touchées, et, mais le contexte de vie ne le permet pas de, de, vivre, euh, elles vont, et ces personnes vont immigrer ailleurs. Et euh, cette protection euh, subsidiaire a été demandée à ces personnes pour qu'elles puissent, en tout cas, être protégées jusqu'à ce que leur, contexte, leur environnement redevienne calme mm. pour revenir. Mais il faut se dire, Tarno vient de préciser, qu'il y, qu'il y a une autre raison, ou d'autres raisons, l'immigration économique, des personnes qui se trouvent dans une île, par exemple, et qui sont envahies par leur, euh, leur alimentation ou leur espace de terre est envahi par l'eau, ainsi de suite, lorsqu'elles vont immigrer, c'est ça la, raison climatique, et euh, où ils ne peuvent pas, en tout cas, avoir une protection. Et là, malgré les appels des acteurs de la société civile, malgré le plaidoyer, ces dispositifs n'ont pas été changés. Je pense qu'il y a lieu de le chercher. Ici, ce sont des instruments internationaux que je euh, viens de citer, mais au niveau africain mhm. et même au nigérien, il y a euh, d'autres dispositifs euh, qui ont été adoptés en lien avec ces, instruments internationaux, à savoir la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Cette charte a été adoptée à la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement en 1981 déjà, à Nairobi au Kenya. À son article 12, il est précisé à l'année 1 à 5 que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Mhm. La Néa 2 dit Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris les siens, mhm. et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. Ces euh, dispositions figure déjà dans la Déclaration universelle des droits de, l'homme. Mhm. Et ces dispositions donc, euh, ont été, si vous permettez, je peux citer les, mhm. trois autres. Donc, euh, toute personne a le droit, en cas de persécution, de recherche et de recevoir asile, de recherche et de recevoir d'asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. L'étranger légalement admis sur le territoire, et là c'est là le problème qu'on mhm. rencontre, L'étranger légalement admis sur le territoire d'un État parti à la présente charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Enfin, l'année 5 dit l'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Tous ces dispositifs ont été donc signés le 9 juin 1998 par le Niger, ratifié le 17 mai 2004 et déposé le 26 juin 2004 par l'État du Niger. Mhm. Donc, il faut se dire que, vu tous ces dispositifs, on peut conclure pour dire que la migration euh, est un droit. Mhm. Se déplacer pour aller dans un, dans un autre pays est un droit. et ce droit est accompagné des lois et règlements euh, que je viens de citer. Mhm. Donc, nous n'avons pas de raison aujourd'hui de voir que ce droit, au même titre que les droit sociaux, tel que l'accès à l'eau, à l'éducation et ainsi de suite, euh, soit menacé par, euh, en tout cas, des États sans, raison. Mhm. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à cette question. Amadou il y en a qui soutiennent euh, que pour que la migration soit moins désastreuse et et fructueuse, faudrait-il qu'elle soit régulière et que les droits des migrants soient respectés. Quels sont ses principaux droits et les obligations des migrants une fois qu'ils ne sont plus sur le territoire dont ils détiennent la nationalité Je vous remercie de cette question. Je voudrais quand même dire à l'endroit de vos auditeurs mhm. que le discours sur la migration, il mérite d'être recadré. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de propos démagogiques et des idées fausses qui sont véhiculées. Parce que depuis 2015, euh, mhm. pour prendre euh, euh, une référence récente, notamment la Valette, quand le LOP a parlé de crise migratoire, nous, aux organisations de la société civile, on parle plutôt de crise de la solidarité. Mhm. Je vais dire pourquoi. On parle, tout le monde parle de migration migration, migration, et on sait après tous les sommets qu'il y a, qui ont suivi, où l'Afrique a été quasiment convoquée, notamment certains pays, dont le Niger, qui font aujourd'hui partie des pays prioritaires dans le cadre du dialogue sur la migration entre l'Union européenne et les pays tiers. Le discours mérite d'être recadré parce que quand on parle de cette question de migration internationale, on a l'impression qu'il y a une sorte d'invasion mhm. du sud, des gens du sud, des gens pauvres qui veulent aller au nord, envahir donc l'Europe. C'est présenté comme ça, notamment par les politiques d'extrême droite qui, ont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui aux affaires dans la plupart des pays, comme l'Italie par exemple. Mm. Et je profite d'ailleurs pour donner la bonne nouvelle, on va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a presque une dizaine de maires en Italie qui se sont levés, alors vont vraiment vent debout contre la loi anti-migration du ministre d'extrême droite Matteo Salvini. Je vais y revenir là-dessus. Quand on parle de la migration, il faut retenir qu'elle ne concerne que 3% seulement de la population mondiale. Mhm. Et chez nous, peut-être on va descendre progressivement au Niger, on verra ce qu'elle représente, malgré aujourd'hui tout ce qui est fait. Et c'est à peu près donc 258 millions de personnes qui bougent d'une frontière à une autre, etc. Mhm. Sans compter qu'elle est d'abord, tout à l'heure nous l'avons dit, intracontinentale. Et en, Afrique de l'Ouest, elle est intracommunautaire. Mhm. Un migrant sur dix seulement franchissent la frontière pour aller de l'autre côté. Vous voyez ce que ça représente Un migrant, sur Un migrant seulement sur 10. Et quand vous prenez la migration à 80%, elle est régulière. Donc c'est seulement les 20% qui font la migration dite irrégulière. Je préfère moi employer cette expression là où on range les sans-papiers. Souvenez-vous de tout ce qu'il y a eu les années antérieures, les gens de l'église Saint-Bernard qui mhm. ont donné au mouvement des sans-papiers, etc. Et qui a fait qu'il y a eu des refoulés, des retournés dans la plupart des pays et des associations mhm. de la société civile se sont constituées pour donner aujourd'hui la résistance qui s'est faite. Et n'ayons pas peur d'utiliser les mots dans cette guerre des riches contre les pauvres. Parce que la lutte contre la migration irrégulière, c'est une lutte contre les pauvres. L'autre chose que je voulais dire, il y a des distinctions aujourd'hui qui sont inopérantes. Tout à l'heure, quand on disait migration, clandestine, migration légale, migration irrégulière, etc. D'abord, l'ONU a dit que ces choses-là, il faut laisser, notamment la migration clandestine, parce qu'il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. L'autre chose, quand on dit les pays de départ, de transit, de destination, cette distinction n'est plus opérante aujourd'hui. Pourquoi Quand vous prenez un pays comme le Niger aujourd'hui, qui est sous le coup de projecteur, mais le Niger n'est pas d'abord un pays de départ. Tous les gens qui échouent dans la Méditerranée, etc., combien de fois vous avez entendu qu'il y a des Nigériens la deuxième chose, c'est vrai, on nous présente que le Niger est un pays de transit. Mais avec ce qui a été mis en place, c'est vrai, les gens passent par le Niger, ils passent par Agadez, il y a des villes sur lesquelles on a allumé les projecteurs. Les gens contournent les routes. Aujourd'hui, le Niger, bien qu'on soit pauvre, c'est aussi un pays de destination. D'abord pour les réfugiés, on en a quand la crise la guerre avec Boko Haram a commencé, plus de 150 000. Surtout dans, la région, de Difa. surtout dans la région de Difa. Ici, mhm. à Tilaberi, on en a bien qu'on soit pauvre, personne ne pleure. On a accueilli ces gens-là avec de la dignité. Il y a eu même des problèmes, notamment d'eau, dans la région de Difa. exactement, exactement. Et vous mhm. avez tous les défis humanitaires qu'il y a aujourd'hui. Le Niger est un pays de destination aussi, parce qu'aujourd'hui, à cause de la question des industries extractives, les mines d'or, les puits de pétrole, les mines d'uranium, l'or dans le Sahara, les gens viennent dans notre pays, pas pour continuer, mais pour chercher des opportunités. Et on ne parle pas, vous les médias, nous les acteurs de la société, on ne parle pas trop souvent de ça. Aujourd'hui aussi, on ne fait pas allusion au flux du nord vers le sud. Combien y a-t-il aujourd'hui des gens qui ne font rien, qui se réveillent un beau matin, qui prennent leur bagages, qui prennent l'avion, ils en ont les moyens, ils viennent chez nous, ils s'installent, on ne dit pas que ce sont des migrants. Et donc, je pense qu'il faut d'abord, si on veut gagner cette question-là des droits humains, il l'a rappelé, le petit frère Kabiru, que la migration, non seulement c'est notre histoire, mais c'est mhm. aussi les conventions internationales disent que c'est un droit, le droit à la mobilité, le droit à la liberté de circulation régionale. Pour cette raison, on doit d'abord sortir de ce piège parce que si nous perdons la guerre sur les mots, mhm. on aura déjà perdu une bataille. Ce que dans l'entendement social, quand la personne est riche, si on ne dit pas que c'est un coopérant, on dit c'est un touriste. C'est quand ça ne va pas qu'on dit que c'est un migrant. Voilà, la migration, ce n'est pas une affaire seulement des gens pauvres. Toutes les personnes qui partent ne sont pas des pauvres. Donc ce ne sont pas des migrants économiques. Parce que pour pouvoir partir, et je prends l'exemple de mon petit frère qui est dans ce studio avec mhm. moi, les gens qui partent souvent ont un carnet d'adresses, ils ont un capital social, ils partent parce que c'est un choix. Et je pense qu'à ce titre, le Global Compact sur la migration a bien fait de dire, et c'est pourquoi il y a des résistances de la part de certains Européens, migrer ne doit pas être une nécessité, mais un choix. Et je pense que c'est une des idées force aussi contre laquelle il faut se lever, éclaircir, parce qu'il ne faut plus que les gens disent que les gens qui partent sont des gens pauvres, etc. Donc les migrants, et je pense que son exemple est là pour le prouver, ce sont d'abord des héros, des gens qui refusent le fatalisme, qui disent qu'il y a des opportunités, je vais me battre pour gagner ma vie. Ce sont donc des acteurs du changement, contrairement à ce qu'on dit. Et c'est en cela que le discours politique et médiatique sont très faux aux yeux et aux oreilles des organisations de défense des droits humains que nous sommes. Professeur, vous êtes donc euh, un héros, comme il a eu à le dire. Vous êtes un pur produit de la migration. Dites-nous quels en sont ses avantages en termes d'apport euh, social. Il a déjà éploré certains avantages de l'immigration. Lorsqu'on a une vision que l'immigration, comme il a su bien expliquer, de, sauter toutes les qualifications de pays de transit et ainsi de suite, lorsqu'on accepte que l'immigration est un est un choix et que la personne peut librement quitter, euh, aller revenir partout. En ce moment-là, on peut voir avec un bon œil les avantages donc liés à cette immigration. Je vais classifier ces avantages en, plusieurs euh, secteurs. D'abord, il y a la richesse culturelle. Lorsque dans un pays, tout le monde porte un habit blanc et que quelqu'un vient avec euh, un habit noir ou jaune, en tout cas une couleur différente à cet environnement, la personne-là apporte déjà une richesse, un changement de cet environnement-là. Et euh, c'est là où euh, on, ne, perçoit pas un peu cette richesse. Et donc, alors, quand on voit l'évolution du Niger même, c'est le fruit de l'immigration qui lui a apporté cette évolution. On ne connaissait pas la voiture, on ne connaissait pas le train. On va la voir peut-être, mhm. ce train-là on, ne connaissait pas euh, l'avion. Et, tout cela, il y a eu euh, cette euh, immigration qui l'a apporté. Donc lorsqu'on donne un espace à quelqu'un qui vient d'ailleurs dans un environnement, il va apporter ce changement-là. Et c'est très important. Ce changement, on ne peut pas, culturel, la richesse culturelle, on ne peut pas l'acheter. Et donc, c'est déjà une, une, bonne chose. Et nous avons l'autre apport qui est et l'apport économique. Nous voyons aujourd'hui tout le petit commerce détenu par les gens venus d'ailleurs, parce que quand ils sont venus, ils avaient déjà leur idée de, pouvoir eh, travailler pour subvenir à leurs besoins, payer l'impôt, subvenir aux besoins qu'ils trouvent ici. quand je fais le calcul, qui n'a pas connu un travailleur euh, à domicile, qui n'a pas connu un, un petit commerce détenu par quelqu'un venu d'ailleurs. Et donc, ce sont en tout cas euh, ces choses-là qui sont importantes. Nous avons aussi l'apport qui est euh, professionnel ou intellectuel, parce que ces gens-là, ils ne viennent pas ici euh, sans rien dans leur tête. Mm-hmm. Il y a d'autres qui ont étudié, il y a d'autres, même s'ils n'ont pas étudié, ils avaient une expérience. Le fait même de bouger, ça apporte une expérience. Le fait même, parce qu'il y a certains qui traversent plusieurs pays avant de venir euh, ici. Et donc, euh, ce parcours qu'ils ont suivi, euh, ils ont eu à avoir des expériences de vie, des expériences de solidarité, des expériences de comment faire, de, de la manière de vivre, et ainsi de suite. Et donc, alors, c'est très important. Nous, aujourd'hui, euh, L'Europe a compris cela et euh, euh, le Canada aussi encore, où il fait l'immigration choisie, a compris cela. Et les personnes ont des, acquis différents et ces acquis peuvent être exploités pour le développement d'un pays. Nos pays comme le nôtre, qui sont pauvres, ont besoin de personnes qui ont des expériences dans plusieurs secteurs pour pouvoir avancer, en tout cas, dans notre économie. Professeur, euh, on le voit bien, c'est que pour des raisons culturelles, religieuses ou de sécurité, il arrive que des populations tournent le dos aux migrants. On peut dire par exemple, le migrant là, il n'est pas de la même religion que moi, ou bien la manière euh, de s'habiller, on peut dire que non, chez nous, on ne s'habille pas comme ça. on peut parler d'atteinte euh, aux bonnes mœurs, alors que l'autre, ne voit pas ça de ce point de vue. Il y a donc des facteurs qui font que certains tournent le dos aux migrants. Qu'en dites-vous ce facteur religieux est un poids pour le développement de l'Afrique. Parce que euh, lorsque notre pays est un pays laïque, euh, de par sa, constitution. ainsi de suite, mais lorsque, voilà, effectivement, comme vous l'avez euh, rappelé, mhm. lorsque dans un pays, on va considérer qu'une religion, aussi importante soit-elle, est la seule référence d'un pays, on encourage ceux qui pratiquent cette religion à minimiser l'autre. Ici, on n'est pas en train de parler d'une religion, on est en train de parler d'un pays. Même ailleurs où nous vivons, quand je vis en Europe, où l'Europe était déclarée l'Europe chrétienne à l'époque, elle a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'ouvertures pour accepter et protéger les autres religions minoritaires. Mais c'est ce qui manque chez nous en Afrique. On refuse et avec la complicité des autorités. Il faut le dire. Quand je prends un exemple, lorsqu'on a une cérémonie officielle, on va mobiliser les ambassadeurs de différents pays. On va mobiliser tout le coût social pour une question nationale. S'il vous plaît. Encore en 2019, on voit ça. Et avant tout discours, on va demander à un marabout musulman de venir prier, faire une fatia. Et on minimise, on donne que cette religion est la plus importante que toutes les autres religions. Et ça, ça n'encourage pas le mieux vivre ensemble. On devrait soit faire ces prières, la prière on a besoin, ces prières dans un cadre religieux, ou soit quand on va le faire dans un sujet national, le faire avec les représentants de toutes les religions. Et c'est ce que nous avons vu au Burkina, au Sénégal, et ainsi de suite, ça s'est fait. Et donc, ce sont ces genres de choses qu'il faut essayer d'éviter. Parce que on grandit et on évolue avec cette idée, cette mentalité, et de plus en plus, on va voir l'autre qui vient qui n'a pas la même religion que moi, il n'a pas sa place dans mon environnement. Mais il s'agit aujourd'hui de garder cet environnement. Et l'autre a sa manière de pouvoir participer à la sauvegarde de cet environnement parce que ce Niger-là, quand il n'existe pas, on ne peut même pas penser à pratiquer sa propre religion. Et donc, il faut quelque part qu'on change de comportement pour qu'on puisse mettre la foi comme étant quelque chose de personnel, comme quelque chose de privé. Quand il s'agit des questions nationales, qu'on mobilise toutes les compétences pour pouvoir le maintenir ou euh, le développer. Kengo, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Les États peuvent jouer un rôle important, on le sait, à travers euh, les lois qu'ils élaborent dans la prise en compte des droits des migrants. Mais doivent-ils encourager ou décourager les flux migratoires au niveau de leurs frontières C'est une question très polémique, la question de la migration. Euh, je ne voudrais pas souvent rentrer dans des commentaires. Ce soir, je voudrais quand même donner quelques chiffres, si les gens écoutent, pour qu'ils réalisent le mensonge dans les discours officiels et médiatiques. Quand je parle des médias, vraiment, je parle des médias du Nord tout à l'heure. Nous avons dit que la migration, c'est 258 millions de personnes. Alors, regardez, dans ces chiffres-là, 106 millions sont nés en Asie. L'Europe est deuxième avec 61 millions, suivis de l'Amérique latine et des Caraïbes. L'Afrique est seulement troisième avec 36 millions. Au regard de ces chiffres, vous conviendrez avec moi que le continent le plus grand pourvoyeur des migrants, et je pense qu'Abiru qui est tout le temps dans les aéroports, le voit aisément. C'est quand même l'Asie. Mais ils ne sont pas indexés comme le sont les Africains. Sur la question des bienfaits de la migration, c'est d'abord les pays du Nord, comme je ne veux pas dire les pays de destination, qui profitent parce que 85% des apports des gens qui travaillent, etc., des cerveaux qui ont choisi de s'installer là-bas, ils profitent tout d'abord au pays du Nord. Je donne quelques chiffres pour rappeler quand même que, par exemple, pour le Niger, la, migration, c'est 43,6 milliards de francs CFA en 2012, selon des chiffres fournis par la BCAO. Vous voyez Et les nombres de Nigériens, déjà, on a dit qu'ils ne migrent pas beaucoup. L'autre chose que je voulais relever, dans la plupart des pays, l'apport de la migration, c'est-à-dire ses bienfaits, son côté positif en termes de, de revenus des envois des fonds des migrants, des remittances, comme disent les chercheurs, c'est que le rapport, c'est trois fois plus important que l'aide publique au développement. De ce point de vue, pour être un peu terre à terre, il n'y a même pas match. Donc un pays comme le Niger, un pays, les pays, les pays tiers qui sont les bons élèves en matière de gestion de la migration ou de la gouvernance de la migration, ne devrait pas se lancer dans la posture dans laquelle ils sont, c'est-à-dire consistant à réfréner la migration, à empêcher à leurs propres concitoyens de partir pour chercher des opportunités. Regardez un pays comme le Niger avec des villes comme Tawa, etc. Donc on connaît depuis les indépendances quelle est la contribution des migrants à l'essor économique de ces régions-là. Ce que ces États disent souvent, ce qu'il faut faire la migration dans la légalité, c'est-à-dire respecter les lois. Il faut avoir les documents qu'il faut avant d'aller vers l'Occident notamment et que les gens meurent euh, au cours de leur traversée. Suis je suis d'accord. Euh, mais que dites-vous alors au sans un c'est un discours qui est fait justement pour sonner bon dans les oreilles des gens. Ils le font. Posez-vous la question toute simple. L'humanité n'a pas mis des moyens financiers pour financer les objectifs du millénaire pour le développement. Mais il, a trouvé ses moyens pour financer l'élection de Mille, la construction de Mille. C'est ça qui fait qu'il y a une crise aujourd'hui aux États-Unis. Je voudrais ajouter euh, une partie de, choses que Torno vient de, citer. Mhm. Euh, les raisons même qui poussent à l'immigration euh, irrégulière euh, dite irrégulière, c'est le fait que effectivement l'Europe ferme ses frontières sur les voies normales. Nous avons euh, des dispositifs au niveau du consulat. Aujourd'hui, quand vous partez prendre le visa, on vous donne une liste de papiers à fournir. Vous allez fournir tous ces papiers-là, mais quand même, on va vous empêcher le visa. Ces personnes, peut-être, vont aller étudier. Ces personnes vont aller faire le tourisme, découvrir ce qui se passe ailleurs pour venir renforcer leur projet, leur initiative, ou tout simplement aller découvrir un environnement. Mhm. On les empêche cela. Et la, la euh, réciprocité n'existe pas entre l'Europe et les, États africains. Un chômeur va quitter en Europe pour aller dans une ambassade africaine. Mhm. Il va, il sort avec son visa et rentre ici. Mais ici, il faut la croix et la bannière pour qu'un chômeur puisse quitter et aller de l'autre côté. Et je pense quelque part, les États doivent prendre. On pense que de l'Afrique, les gens sont pauvres, alors que de l'autre côté, les gens viennent avec un peu de moyens quand même. un, peu de moyens, ils sont, ils sont, il y a des pauvres aussi là-bas. Il y a des pauvres aussi là-bas. On vient de rappeler quelqu'un qui va financer son trajet pour immigrer n'est pas un pauvre. Mais ce moyen qu'il demande au niveau de l'ambassade, il y a des gens ici en Afrique qui mobilise ce moyen, il présente, mais comment on va le refuser le visa. Mhm. Et je pense quelque part, il faut que les États prennent, africains prennent leurs responsabilité pour appliquer aussi quelque part ce système de réciprocité parce que euh, un visa donné au nord égale à un visa donné au sud. Il faut réfléchir à cela pour essayer de, réduire euh, cela. Et aussi, il y a quelque chose qui avait commencé avant d'organiser des visites guidées avec des groupes de jeunes ou de groupes pour aller voir là-bas et aussi des jeunes qui viennent pour voir là-bas, ça renforce en tout cas les capacités institutionnelles et même les relations de nos jeunes Africains avec euh, leurs homologues du Nord. Parce que quand on voit avant euh, l'indépendance du pays, les jeunes étudiants avaient de bonnes relations avec les jeunes européens. C'est pourquoi il y a la création, quand on voit la création de l'Organisation internationale de la francophonie qui a eu son base ici au Niger, c'est parce que quelque part, les pères fondateurs avaient des relations avec leurs leur, frères. Il y avait euh, quelqu'un qui m'a raconté que jusqu'en 1980, il n'y avait pas besoin de visa pour aller en France. Mhm. Et donc, alors, ce sont des choses, en tout cas, euh, qui, euh, qui sont restrictives, qui qui, qui, qui, ont poussé à cette immigration euh, dite irrégulière. Maintenant, euh, quelles sont les choses qu'il faut faire Tout à l'heure, j'avais euh, cité un peu les apports qu'il faut, les apports que les États ont. Je prends l'exemple dans nos pays africains. J'ai eu la chance d'être sélectionné parmi plusieurs, plusieurs candidats pour représenter le CDH au sein du conseil communal dans la campagne électorale. Mais ici au Niger, euh, toutes les élections qu'on fait, euh, prenons euh, un candidat qui a un nom togolais ou un nom français, vous allez voir l'opposition qu'il va avoir de la population parce que la population n'est pas prête pour cela. Or, elle devrait être ouverte parce qu'on a besoin des gens de toutes parts pour pouvoir, en tout cas, travailler au sein de, la gestion politique du pays. Je me rappelle, et je donne toujours cet exemple, euh, le premier, les premières élections où Taj Mohamed avait participé, à l'époque, les opposants utilisaient son nom comme étant euh, un étranger pour encourager les gens à le, lire. Il a été, euh, en tout cas, deux fois le président de ce pays. Il a eu un mandat de 10 ans. De, 10 ans. Et je pense qu'il faut encourager. Quand on de côté, bien sûr, la prolongation. Voilà, j'ai eu à, à, parler avec euh, le conseiller du président de l'Assemblée nationale, euh, qui est un compatriote aussi euh, belge, il me disait qu'il est le seul, et nigérien, parce qu'il a sa nationalité, à travailler pour l'État Niger et, du Niger et à être payé par le Trésor national. Alors que le Niger a beaucoup de personnes qui sont d'origine étrangère et qui ont pris la nationalité. Pour ça, nous allons terminer. Que faut-il pour assurer alors une bonne migration qui respecte la dignité humaine et qui profite aussi bien aux migrants qu'aux États Mais il faut essayer d'appliquer les textes. Parce que euh, les textes ont été adoptés, ratifiés, qu'on vient de les rappeler. Il faut que les États puissent avoir cette culture d'accepter la migration comme étant euh, un don, comme étant une euh, une source de financement pour l'économie, une source de financement en tout cas qu'il faut, euh, vient de rappeler euh, euh le chiffre euh, par rapport à leur apport euh, économique et même financier. Et donc il faut que la, migration soit dans notre culture de gestion du pays et que ce ne soit pas une euh, un, objet à, à réger. Mhm. Et, lorsque on, va dire qu'on va combattre l'immigration, à ce temps-là, on, perd plus d'économie, on, peut, on perd plus d'énergie pour euh, euh, essayer de, renforcer en tout cas cela. Il faut impliquer, c'est vrai, les personnes concernées aussi dans la, je peux dire, pour qu'elles puissent s'intégrer dans notre culture, de notre euh, de notre culture de travail, de notre culture de vie, ainsi de suite, et euh, leur donner un espace, parce que quelque part, on ne découvre pas, on n'exploite pas en tout cas les, les, différentes richesses qu'ils portent en eux, et on laisse euh, en tout cas que, cette, que ces richesses se perdent dans la nature. Donc il faut leur donner les cadres nécessaires, et je pense que comme je dis, je donne toujours mon exemple quelque part, parce qu'on m'a permis euh, d'apporter ce que je sais faire et, euh, que le pays exploite euh, mes compétences dans les domaines où je vole. Merci, professeur Mogo Kabigo. je pense que, la, migration, c'est une richesse. Ça ne devrait souffrir l'objet d'aucun doute. Mhm. Donnons des exemples précis. Ici, chez nous, d'abord, dans la CDAO, c'est la Côte d'Ivoire qui est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Et le développement de la Côte d'Ivoire s'est fait par les Ivoiriens, mais avec l'apport des pays de l'Interland, comme on le dit. Mhm. Et bien heureux, vous savez que c'est la colonisation qui a inversé les flux. Avant, les gens, ils partaient du sud vers le nord, les routes caravanières. C'est quand les colons sont venus qu'ils ont dit, pour développer l'économie des plantations, ils ont inversé les flux. L'autre chose, exemple que je veux, voulais prendre quand même, c'est celui des États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance au monde. Quelle est l'histoire de ces pays construit par des étrangers. Voilà. Et mm. donc, de ce point de vue, tout à l'heure, j'avais oublié de vous dire que sans les migrants, les gens qui y travaillent, quel serait le PIB de l'Italie, de Matteo Salvini Je pense qu'il va être négatif. La division entre les pays de l'Union européenne sur cette question de migration, notamment entre les pays dits de première entrée et les autres, avec en tête l'Allemagne. Pourquoi les gens sont opposés Parce qu'il y a des pays, à cause du vieillissement de la population, qui pensent que sans les étrangers, pour utiliser ces mots, leur économie va péricliter. L'autre chose sur laquelle quand même on s'entend, c'est aujourd'hui les Nations Unies qui reconnaissent que la migration, il faut la valoriser. Elle représente, on n'a pas eu de, s'allonger de, de sur les chiffres tout à l'heure, mais on, constate tous que ça vaut plus que l'aide publique au développement qui ne fait que s'amuser. Et donc, déjà en 2013, il y a eu un dialogue de haut niveau au niveau de l'ONU. Et le constat qui a été fait, c'est de dire que la question de la migration est abordée dans les politiques et, et cadres stratégiques de développement. C'est valable au niveau international, c'est valable même au Niger quand vous prenez le PDS. Il aborde la question de la migration, bien qu'il y ait eu en 2012, je pense, un forum de la diaspora. La migration sous un angle réducteur, aujourd'hui, quand vous prenez dans certains pays, la diaspora est considérée comme une autre région. Mhm. Au Mali, au Niger, c'est valable. Et je pense que de plus en plus, les gens y prennent conscience. Donc, je pense qu'il faut arrêter de criminaliser la migration. malheureusement, c'est la tendance mondiale parce que les plus forts, c'est ça qu'ils veulent. Il faut faire de cela une chance, une opportunité, une richesse. Parce que l'humanité s'est construite par le mouvement des personnes. Et il faut appliquer les textes. Merci à vous. C'est la fin de ce forum du studio Kalangu dans lequel nous avons abordé le thème apport de la migration pour les pays d'origine et d'accueil des migrants. Nous retenons que la migration, de par euh, les instruments internationaux et au plan national, est un droit qui mérite euh, un intérêt particulier afin que les migrants soient tout en temps protégés du fait euh, du respect de leur dignité en tant qu'êtres humains. Nous avons compris avec nos deux invités que la migration peut être une grande richesse pour les pays qu'ils quittent, c'est-à-dire leur pays d'origine, mais aussi pour leur pays de destination c'est-à-dire euh, les pays qui accueillent ces migrants. Il est donc euh, très important que les droits des migrants soient promus pour le bon progrès de toute l'humanité. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez en compagnie de Amadou Boulama Tchernou. Il est défenseur des droits humains, directeur euh, du département migration à l'association alternative Espace Citoyen, mais également avec Kabir Oumourou, professeur en sciences sociales. Il est citoyen belge d'origine nigérienne. Il était candidat à Liège aux élections communales. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Michel Deji, la réalisation Yolo, à la technique Issa Loli. Passez une excellente soirée et au revoir.